Olha, Maria no Tiga Lima, não te brinca, ti não vai. Mano vem de Cabo Verde, mano vem com pouco dia. Maria no Tiga Lima, não te brinca, ti não vai. Mano vem de Cabo Verde, mano vem com pouco or. Maria no Tiga Lima, não te brinca, ti não vai. Bonjour euh, Prestige bonjour. Euh, donc euh, c'est ici c'est la case de culture de, de Donc pour la culture caverdienne. Donc ce terrain nous a été affecté par la mairie de Thiès et donc nous avons pu faire ça. Moi je me présente, je m'appelle Emmanuel Cortés Dimanel. Donc je suis le président de l'association des Sénégalais d'origine caverienne de Thiès. Et donc euh, avec euh, donc le bureau, M. Darosa, qui en est le trésorier général, M. Euh, Jacques Gomez, qui en est le président chargé de l'organisation. Et il y a d'autres membres qui vont venir tout à l'heure. Mais ça, c'est la case de culture. Donc, pour, comme vous avez dit tout à l'heure, la, vraiment la coopération, l'amitié, sénégalo-caverdienne. Donc euh, tout ça, c'est dans le cadre des euh, manifestations organisées à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance de, de, la République de Cabo-Verde. Donc euh, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a quelques jours, donc le samedi 7 juillet, c'était la grande soirée des donc des Caverdiens, la grande soirée caverdienne organisée par le groupe des femmes Batucaderes de Dakar. Mais euh, pour l'occasion, elles avaient invité des Batucaderes des îles du Caver, qui sont de Praia, Caliette. Donc elles sont là depuis le 6, euh, le 6 vendredi 6 donc pour euh, justement assister à cette grande cérémonie, la grande fête, la soirée qui avait été organisée. Et donc, elles ont voulu venir à Thiès pour découvrir la ville de Thiès, pour découvrir notre case de, notre case de culture. N'est-ce pas donc, euh, pour, donc, elles sont venues pour découvrir. Donc, euh, elles ont été, donc, avec, euh, avec les bateaux de Dakar, elles sont venues nous rendre visite pour connaître. Et tout à l'heure, nous allons faire, nous allons visiter quelques sites, quelques endroits avec elles. la mairie de Thiès, enfin la mairie de la ville, euh, le village artisanal, la cathédrale de Thiès. Et on va revenir ici pour un, pour un petit déjeuner et le temps de faire quelques prestations. Elles vont rentrer à Dakar, retourner sur Dakar vers 20h. Le Batouka, le Batouka, en fait, c'est deux choses à la fois. C'est aussi bien, n'est-ce pas, le, donc, le son, l'instrument, la musique, et la façon de danser, donc de la culture qui est donc c'est vraiment euh, c'est depuis la nuit des temps que les caverdiens hein, et les caverdiennes dansent comme ça. En fait, c'est leur, leur, danse traditionnelle. Voilà, donc euh, voilà, vous savez que euh, les îles du Caver, c'est un véritable, comment dirais-je, melting pot. c'est à dire qu'à à l'origine, c'est des Européens, c'est des Africains, c'est même des Asiatiques qui se sont retrouvés là-bas. Si bien que vous avez des îles comme l'île de, Saint-Vincent ou de Bravo, où il y a des, gens très clairs avec des yeux même bleus ouverts. Et dans d'autres îles, comme à Santiago, vous trouvez des gens avec un teint marron, ou alors à Mayou, vous avez des gens vraiment noirs, très noirs. Voilà, donc euh, vraiment c'est un brassage de culture, n'est-ce pas Depuis, euh, parce que les Portugais se sont euh, donc ont pris euh, les îles dans les, au, 5e, 6e siècle. Et alors, euh, donc, euh, il y a eu brassage de plusieurs cultures, donc, ce qui a donné naissance aujourd'hui à la culture caverdienne, dont la musique que vous entendez rayonne partout dans le monde. Alors, les rapports entre le Caver et le Sénégal, mais vraiment, sont au beau fixe. Et vous n'êtes pas sans savoir que euh, vous savez que le président Macky Sall s'était rendu là-bas il, y a un an et demi ou deux ans et qu'il est prévu beaucoup de choses, hein, surtout euh, sur le plan maritime, hein, donc euh, pour le transport maritime. Donc il y a des choses qui sont prévues parce que vraiment on veut renforcer donc, cette amitié, cette coopération entre, entre les deux pays. Et j'ai eu à dans un journal que je nommerai pas, il y a un an, après une session du Parlement de la CDAO, des parlementaires ont eu à, déplorer le fait que des, des, des ressortissants de la sous-région, de la CDAO, euh, éprouveraient quelques difficultés à rester, à, en tout cas à, résider aux îles du Caver, donc ils ont évoqué. mais, et c'est pour ça que le journal a eu à titrer Intégration africaine, les petits pas du Cap Vert. Les petits pas du Cap Vert parce que des gens, euh, il y aurait des problèmes. Et euh, un, des parlementaires, qui, est le président de la commission, je crois, travail, emploi, culture, jeunesse, hein, a eu à relever quelque chose qui est très pertinent. Parce qu'il leur a dit, mais écoutez, il faut tenir compte des spécificités du cap qui est un pays insulaire, un petit pays par la superficie, et que ouvrir les frontières des îles du Cavert tous azimuts, ça, ça pouvait quand même créer des problèmes. Parce qu'un petit, un petit, un petit pays comme ça, où il, sur le plan de la population, il n'y a que 500 000 habitants intramuros, parce qu'il y a peut-être 1 million en dehors, mais à l'intérieur, il, y a 500 000. Donc, faire euh, ouvrir les îles, les portes, de, enfin les frontières à tous les pays de la sous-région, tous les étrangers, on arriverait aujourd'hui tout de suite à avoir 1 million, 2 millions d'étrangers. On n'a jamais vu dans le monde un pays où il y a plus d'étrangers que de gens donc, du pays même. Ce n'est pas possible. Ça créerait des problèmes aussi bien sociaux, pour, enfin, économiques et tout. Donc c'est pour ça que quand même, les gens, il faudrait que, effectivement, et il est heureux que de plus en plus quand même, il y a des comme on a dit, des pas qui se font dans le cadre de l'intégration. Hein, parce que euh, le président du Cap-Vert qui est venu ici, qui nous a rendu d'ailleurs visite ici au mois en fin avril, le 28 avril, il est venu avec un Sénégalais, un Sénégalais qui est bien intégré là-bas, qui fait du commerce, et ils ont même eu à créer une association des Sénégalais. Et ce Sénégalais est venu jusqu'ici, ils l'ont ils, amené, il est venu avec, la délégation du président, Bon, donc il a témoigné ici d'ailleurs que, bon, vraiment, euh, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes, mais de plus en plus, les problèmes tendent à être aplanis et que ça va, bon, bon c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les îles du Caver aussi ne pourraient pas, bon, nous, en tout cas, nous, moi, je suis né ici, nous sommes tous nés ici, on a grandi ici, on a, et j'ai dit l'autre jour qu'on n'a jamais eu de problème ici, mais le Sénégal, c'est quand même 14-15 millions d'habitants. Euh, s'il y avait 2, 3, 4 millions d'étrangers, ça pourrait se diluer. Voilà, je crois que le maire Talessera serait en tout cas plus à même de répondre à une telle question parce que, mais il a dit ici qu'il a été là-bas et, il a été très surpris de toutes les convergences de vues, de, en tout cas de toutes les possibilités, n'est-ce pas, de coopération, de jumelage qu'il pourrait y avoir entre, entre Santa Cruz et, et, et, et ils ont été là-bas, vraiment, ils sont rentrés très heureux. Et le maire de Santa Cruz, avec, avec son staff également, ils sont venus ici, ils sont venus également nous rendre visite. Et le maire a était là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de possibilités hein, de, coopération, en tout cas d'échange, hein, surtout au tout, point de vue culturel que ben, politique et tout, qui peut y avoir, parce que les îles du cap aussi, euh, c'est un pays très démocratique où depuis 1990, ils ont, ils ont, ils ont instauré le multipartisme démocratique et les élections se passent normalement, aussi bien avant les élections, pendant et après, il n'y a aucune contestation. Celui qui gagne, il est félicité par celui qui a perdu et les choses se passent le plus normalement du monde. Donc euh, également le Sénégal, euh, quoique peut-être des petits problèmes euh, avant mais en tout cas, le Sénégal aussi, c'est un pays démocratique où les, il y a eu déjà deux alternances qui se sont passées le plus normalement du, même, du monde. Donc c'est vraiment, bon, pendant que le, Sénégal a un régime pratiquement présidentiel, là-bas c'est un régime parlementaire. Voilà. Ah, donc ce quartier, euh, nous sommes nés ici, euh, vous voyez, nous, nous, sommes là. À l'époque, c'était des, champs, des vergers, hein. il y avait plein de manguiers de, ici. Aujourd'hui, il y avait des porcheries. Aujourd'hui, vous voyez, donc, euh, avec l'urbanisation galopante, aujourd'hui, c'est plein de maisons, mais nous sommes nés ici, on appelait ici Ngente portugaise. Aujourd'hui, bon, vraiment, il y a plus de, de, de Olof, de Serrer que de portugais, mais c'est toujours Nguette portugaise. Et bon, et nous avons, parce que il faut dire que le, les Caveriens, les Caverdiens, peut-être, sont les, c'est, les gens les plus intégrés au Sénégal. Et aujourd'hui, on a, on a beaucoup de nos sœurs qui sont mariées à des Sénégalais et vice-versa, des frères. Donc voilà, donc c'est un véritable métissage euh, qui, se, se passe au Sénégal. Voilà, merci, je vous remercie. ça dépend <laughs> <laughs> Nous sommes très honorés d'accueillir cette délégation capverdienne. Euh, et aujourd'hui, cette délégation nous a montré une facette de la culture capverdienne, qui est aussi la nôtre, parce que nous avons une forte communauté sénégalaise d'origine capverdienne. Euh, et donc ça nous va droit au cœur cette visite-là. Ça honore aussi, cela honore la ville de Thiès. Et vraiment, je suis sûre que le représentant du maire, M. le maire Baba en est ravi. Nous en sommes vraiment très ravis et vous souhaitons, souhaitons bonne continuation de vos activités. Et vraiment adhérons à ces activités qui non seulement contribuent à l'animation culturelle, mais aussi enrichissent euh, l'espace culturel de la ville de Thiès et au-delà même l'espace culturel du Sénégal. Donc là, elles sont toutes heureuses, toutes contentes de, vous voir. Elles sont contentes aussi de connaître Thiès. Et c'est pour la première fois qu'elles arrivent ici, qu'elles viennent à Thiès. Même à Dakar, au Sénégal, c'est la première fois. D'accord, d'accord. Ça fait plaisir de les recevoir aussi. Merci. Parce que bon, ici chez nous, on a le quartier de Nguent, là où habitent les, les, les Caveriens. On a eu à grandir avec les Edou, les Darosa, les, les Borges, les Tavares, les Diaz et tout. Hein. nous sommes, bon, c'est une famille entière hein, au niveau de Thiès. Hein. Alors, euh, vraiment, ils occupent un truc culturel au niveau de Thiès. Alors, ça fait plaisir de les recevoir. Alors là, vous <laughs> Pour ajouter, il y a la coopération entre la mairie de Thiès ici et la mairie de Santo Cruz, avec Carlos Silva comme maire. Carlos Silva. Voilà, c'est un partenaire de la mairie de Thiès, M. et C'est une bonne chose. On est en train, bon, au niveau de Thiès, on organise tous les mois de décembre un truc culturel, Kies. Mais je crois que vous avez, on va vous intégrer par rapport à ça. Hein. on va essayer de voir comment faire pour

vraiment yàlla na yàlla yàlla na ànd bi yàgg. amiin amiin waaw ndax euh, booy seet daal nit naa ñëpp benn lañu. amiin amiin àddina moom dafa amul solo. amul solo ndax bu amoon solo. kon ñoom maam du ñu dem. ñoom yaay ak ñoom papa du ñu dem. kon nag ñun kenn du fi des. kon nag ñu rafetal diggante daal. ah woyofal ko ndax nu mu gën a yombee. waaw merci jërëjëf ah gërëm leen ko ah.